Nigériens, Nigériennes, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Hey. Chers amis, vous êtes surtout Salafada, l'émission des jeunes. Nous entamons pour vous une nouvelle rubrique dénommée L'artiste s'exprime. À travers cette rubrique, nous allons à la découverte de nos artistes nigériens préférés. Qui sont-ils Qu'est-ce qu'ils font vous brûlez sans doute d'envie de le savoir. c'est pas, encore fini. C'est pas, pas fini, c'est pas fini. Le chiffre extraterrestre, un enfoiré de qualité. <laughs> Il fait des millions de vies sur les réseaux sociaux, mesdames et messieurs plus 100 000 abonnés sur sa page quand on sait qu'ici au Niger, ce n'est pas du tout chose facile. Nous accueillons pour ce nouveau numéro un humoriste. Il est jeune, il est pétri de talent, il s'est fait une renommée dans le paysage du stand-up nigérien. Il s'appelle Waniski Montana, beau international. Oui, oui, oui il a tout planifié, mesdames et messieurs. <laughs> tu es content Ouais, je suis content. <laughs> il est très content. Alors, tu as des fans, hein? tu as 100 000 euh, déjà abonnés sur ta page, tu as des millions de vues sur Facebook. Eh, dis-moi, Waniski, qu'est-ce que tu entends par Waniski Montana en fait, mon vrai nom, c'est Larouanou, Larouanou. J'ai pris le Wanou, j'ai un peu. Hey, eh, il s'appelle Larouanou, un peu, ceux pas. <laughs> ouais, c'est interdit de m'appeler Wanouski. Larouanou, c'est Wanuski. Ah, attends, c'est interdit de t'appeler Larouanou, C'est Wanouski. c'est direct. Ah, ok. <laughs> c'est Wanouski. Ok, d'accord. Alors, Wanouski, euh, c'est Larouanou mélangé à un certain nombre de choses. Ouais, c'est. C'est un cocktail. J'ai pris le Wanou de la fin. J'ai un peu maquillé ça Wanouski. Okay. A, à la base, c'était juste pour un sketch. Tony Montana, c'est lui. Tony Montana, le gangster. <laughs> Mais attends, tu, es gangster aussi Non, non, la chose Non, non, c'était un sketch d'un rappeur, quoi. Un rappeur interplanétaire, un gars qui est vraiment genre, le meilleur rappeur au monde. et là j'ai trouvé le blaze Après, les gens, ils ont aimé. J'ai dit non, attends, ça, on va garder ça. Wanouski <laughs> Montana <laughs> J'aime bien ce garçon. Il assure comme pas possible. Ah, il, fait, il fait le buzz sur la toile. Vous êtes donc euh, humoriste. Euh, one-man show, maker et stand-up. Alors, est-ce que tu peux un peu expliquer cela euh, à ceux qui nous kiffent, hein, qui ne savent pas ce que c'est hmm. Le one-man show, qu'est-ce que tu entends par one-man show One Man Show, c'est comme, c'est en anglais quoi. Mm-hmm. Un seul gars qui fait le show, mm-hmm. c'est du stand-up quoi. Tu es debout, tu restes debout, il y a un public qui est là. Tu essaies de d'utiliser leur réalité pour euh, pour euh, pour leur faire rire quoi. Attends, mm-hmm. je suis le public. Ok d'accord. Là je te regarde. Alors tu peux me faire un petit truc. pour te faire One Man Show, ouais, tu peux me faire rire. Moi, je peux te faire rire. Tu es prêt Je suis prêt. non, non, non. non, tu vas faire rire, tu vas faire rire. Mais comme j'allais bousiller, bien évidemment, euh, le matos. Merci Waniski, en train de me donner ce, ce sourire aux lèvres qui n'a jamais fait du mal. Ça guérit, hein. Tu vois, là, j'ai toute la force. Et la force, comme on dit. <laughs> ok, d'accord. Cette activité, est-ce que c'est un métier pour euh, toi ou juste une simple passion C'est un métier pour que ça devienne un métier, il faut que ça soit déjà une passion. C'est une passion, mais maintenant, ça, ça c'est devenu un métier, carrément, parce que euh, à, à, cause de la visibilité qu'on a sur Facebook, Mais tu te fais de l'oseille, tu te fais de la maille dedans ouais, pas mal. <laughs> Donc ça, commence, ça commence, les gens ont commencé à comprendre, quoi, tu vois. Ok. Euh, il y, a les, les one-man shows qu'on peut faire. D'ailleurs, bientôt, il y, aura mon one-man show 100 000 extraterrestres dans la poche pour fêter les 100 000 abonnés. 100 000 extraterrestres dans, la, poche. Donc tes fans, ceux qui te suivent, c'est des extraterrestres. Ouais, c'est ça, les, les extraterrestres même. <laughs> ils, viennent, ils viennent de quelle planète Ouais. Mars Non, non, ça dépend, c'est partout quoi. Pourquoi Mars seulement Merci. Ah, Alors ah, dis-moi, qu'est-ce qui te motive surtout à pratiquer ce métier Ouais, j'aime faire rire quoi. Tu vois, tout dès que me vois là, tu vois, tu es en train de rigoler. Je, ouais, bien sûr, bien sûr, non, je suis content à travers toi quoi quand tu rigoles et tout. Ça soigne aussi. J'aime hein, faire ça, ouais. C'est une passion. Ah, super. <laughs> Alors Aniski, écoute, on va finir. Hein. Certes, il n'y a pas de métier facile hein, à exercer. Dis-nous en quelques mots les difficultés que tu rencontres dans ce que tu fais, dans tout ce que tu fais Waneski, de toi à moi. Tu as la mm. possibilité, bien évidemment, de tout dire sur cette émission. Tu as certainement traversé de ouais. dans le domaine de l'humour avant d'être à ce niveau aujourd'hui. Alors, en quelques phrases, raconte-nous un peu l'histoire donc, euh, les difficultés, quoi. les difficultés qu'il y a dans, ce truc, à chaque fois qu'un artiste. Euh, on, pose la question tout le temps. Quand je mhm. cherche, on, me demande les difficultés qu'il y a. Mhm. Oh, certes, il y a des difficultés et tout, mais je pense que c'est à nous, les artistes, de. De voir comment surmonter. Non, de, de, donner aux gens la chance de nous soutenir, à travers le concert que je vais organiser, à travers, à, travers les partages et tout. C'est à mhm. moi de trouver un moyen plus malin de, rentabiliser ça. Le problème, c'est financier. Oh, le problème, c'est financier, pour euh, la production des vidéos et tout. Si tu as les moyens, tu peux faire des trucs de ouf, quoi. Avec, imagine ce que j'ai fait. J'ai eu 3 millions de vues avec les moyens de bord. Imagine si quelqu'un finance sur nous qui est c'est que ça va. ça va faire des milliards de vues, <laughs> Tout est possible. Alors, je comprends bien. Donc, c'est des difficultés surtout potentielles, euh, Voilà, ouais. D'accord. <laughs> on appelle ça eh, bien. Alors, on va parler des projets. Donc, dans le domaine de l'humour, tu as des projets. Ouais, ouais. Alors, tu peux me parler de tes projets, s'il te plaît Ouais, c'est ça. Maintenant, pour l'instant, c'est qui C'est les 100 000. C'est les 100 000 extraterrestres qui sont dans la Qui <laughs> sont dans Ah ouais, c'est. Bientôt des millions d'extraterrestres. On va mettre ça bientôt. Ça, c'est les projets. Hein, euh, ouais, ouais. Ok. Après, on va voir avec les films, euh, les, pas, les séries je sais pas, des documentaires, je sais pas quoi. Mais là, pour l'instant, je, je, me concentre sur le, le One Man Show. C'est de l'autoproduction ou bien tu es accompagné par une maison de production Non, je ne suis pas accompagné, c'est de l'autoproduction. Moi-même, je crée les textes mhm. et je cherche entre, euh, parmi mes amis des, acteurs quoi, qui va, par, exemple Samira. Mhm. on filme entre nous, après je viens, je monte tout seul. Quoi. Je, fais le montage tout seul je poste. Et attends, le matos, comment tu fais Ouais, j'ai pu acheter une caméra, mais c'est pas assez quand bien évidemment, mais c'est on fait avec les moyens du monde. <laughs> Super. Alors, puisque tu as parlé à l'instant de Samira, que j'ai l'habitude de voir dans tes sketchs, on va l'inviter sur le plateau. D'accord. Samira, tu peux venir s'il te plaît <laughs> Viens, Sami. Eh, je te souhaite la bienvenue, Sami. Merci, bonjour. Alors, euh, mon cher Wanouski, tu te présentes comme l'un des meilleurs rappeurs euh, du monde, pas du pays, mais du monde euh, entier. Excuse-moi, c'est meilleur rappeur interplanétaire. Ah, c'est interplanétaire. ok, merci. Alors, tu peux me citer 5 meilleurs rappeurs au monde, s'il te plaît 5 meilleurs rappeurs au monde. Oui, on veut savoir. Wanuski, euh, Wanouski, Wanouski, Wanouski, Wanouski, ah, tu n'exagères pas là C'est tout. <laughs> ok, alors dis-moi, comment va le pays euh, Quel pays Mais le nôtre, bien sûr. Ton pays. C'est quoi notre pays Ok, présente-nous ton pays. On est où là, nous tu sais pas où on est. on est sur terre. Ou bien c'est sur Vénus, je sais pas quoi. C'est pour ah, l'interview, je sais pas, mon manager il m'a pas dit, je sais pas. Ok, ok. <laughs> ok, on est sur terre et précisément ah, on est là. Et là, on est au studio Kalangu. Merci bien, merci. Eh, écoute, nous sommes au Niger. Fraternisons, travaillons, progressons. Vous êtes sûrs, donc le studio Kalangu. Vous êtes sûrs aussi eh, les radios partenaire du studio Kalangu. Orange, blanc et vert. Mais c'est ça le drapeau du Niger, mon ah, frère. Auprès du grand Niger puissant. Eh, je te dis aussi, la fraternité, le progrès, le travail. C'est ça, en fait, la devise du pays. <laughs> Waniski Montana. Eh, il n'est pas sur terre, le mec. On va finir avec de la danse. Tu vas suivre moi, ma façon de parler et danser avec moi. Parce que nous sommes à la fin de la rubrique parce que tu as aussi un talent, et eh bien évidemment, en danse. Mhm. Tu vas secouer la tête, tu vas me faire le Michael Jackson et tout ce que tu veux. On finira l'émission mhm. avec euh, de la danse. À l'instant, c'était Waniski Montana mhm. sur l'émission. Tous à la fada. Mr. Mustafa Yuba, merci pour la réalisation. Mr. Euh, Seini Isaka, merci pour la eh, tu ne me suis pas là. Ah. Tu ne me suis pas. Il y a un son là qui Tu me suis pas. je sais, tu me suis pas. Suis, <laughs> ma voix, suis ma voix, ici. c'est, Saint a été de la partie, c'est lui qui a la réalisation de cette émission. <laughs> On prend congé de vous, mesdames et messieurs, tout de suite et maintenant. Eh, la suite de l'émission. Tu es fatigué Non, je ne suis pas fatigué. Tout ça à la fin. <laughs> Là, vous avez triché ça, quoi, c'est